L'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès et membre du collectif euh, Thiès Ville de Culture. Donc en même temps, je suis le président de la commission ad hoc de la SODAV à Thiès. Voilà, donc euh, par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui, on a été vraiment surpris. Surpris et dessus à la fois. Parce que euh, nous, on pensait qu'il y a des ruptures des âmes au niveau de la gestion de la culture par la mairie de Thiès. Mais l'indice euh, le nouveau maire il est en train de commettre les mêmes erreurs que laissé là, parce que tu ne peux pas concocter un agenda culturel sans pour autant impliquer les actes une démarche qui n'est pas du tout participative qui n'est pas du tout participative on a vraiment euh, écouté mais on s'est pas retrouvé dans l'agenda on s'est pas du tout retrouvé dans l'agenda et quand tu fais un, agenda pour une ville pour des acteurs moi je pense que nous, ñoom ñoo si donc euh, cette démarche ou bien cette rupture qu'on attendait pour cette nouvelle équipe, vraiment ça a été une oh, déception pour tous les autres qu'ils arrêtent, euh, qu'ils arrêtent de dire euh, euh, des choses, des contre-vérités aux populations. Il a cité beaucoup d'artistes qui soient que nous sommes dans communauté, nous sommes Parce que nous ne comprenons Il a parlé de Massané, il a parlé de Yad. Nous, on est tout le temps en contact. Massané, à chaque fois quand on est à Paris, on, on déjeune ensemble. Donc nous savons chaque jour on s'appelle, on, on, se parle. Koulou qui est là, qui est membre de Waflash, il n'était même pas au courant. Donc posez-vous une question. Mhm. Si Massane était au courant, était impliqué. Donc Koulou, Koulou qui est le membre, euh, membre, membre fondateur de, du groupe Waflash, est-ce que est-ce que est-ce que Donc il faut qu'ils arrêtent. Donc nous ce que l'on l'union de Hamal, moi nous avons organisé des événements culturels, nous étudiants parce que nous, on a fait 25 ans de carrière dans l'activité culturelle ou plus. Mhm. Donc il faut qu'ils arrêtent. Il y a beaucoup de journalistes qui sont là. Il y a depuis 1998 du suivre, découvrir son événement culturel. Donc il faut nous bailler les Qu'est-ce que vous voulez exactement Non, ce que nous voulons, moi, moi, cette ville ne peut pas se faire sur le plan culturel sans les acteurs culturels de la ville de Thiès. C'est pas possible. C'est pas possible. La voie qu'il a prise, c'est une mauvaise voie. il faut nous Madame Yon Baroul il avait fait la même erreur il s'est entêté il s'est cassé la tête. Eh. Ah non mais lui aussi c'est le maire de la ville monsieur mais c'est le maire de la ville. Ah, mais s'il nous appelle on va on va échanger. non ah, on va échanger on va échanger on va échanger on parce que nous ce qui nous préoccupe c'est l'animation culturelle de cette ville parce qu'à l'heure où on te parle tous les acteurs culturels qui sont derrière moi il est porteur de projet et mairie bi subventionné très très def projets il faut que ñi xam ko quoi soit il vient avec une démarche participative inclusive bolé si ñep ñu and ci ak soit il va nous entendre parce que kenn du ñu fekk si suñu secteur ba après di ñu def il va vous entendre c'est-à-dire. non mais dinañu dégg. nous entendre, parce que un festival déjà dans ses propos un festival il a dit qu'en deux jours ils se sont rencontrés euh, deux fois pour concocter le projet du festival. Mais c'est aberrant. Deux, jours, deux, rencontres, monosy aussi produire un agenda culturel, ce n'est pas possible. Et ce qui est plus, plus décevant dans cette démarche, même le bras technique de la culture à Thiès n'a pas du tout été impliqué. C'est-à-dire le directeur du centre culturel. il, Non, mais il était présent parce qu'il est contraint d'être présent. Parce que si le gouverneur l'appelle pour le demander d'être présent, il est obligé de venir le directeur est là, il est... Il est non, il est, présent, il est présent, mais il n'a pas du tout été impliqué dans la confection de l'agenda culturel. Mhm. Ce que je dis, je le sais. Nous, on vit de culture. il est membre du comité. Il, a il y a beaucoup de gens qui figurent dans, le comité. Ils ne sont même pas au courant qu'ils sont, euh, qui sont membres du comité. Je t'ai parlé de l'exemple de Massane. Ils ont cité Massane. Massane, elle n'est pas au courant. Il, n'est pas au courant. Et puis Massane, elle, ne vit plus à Thiès. Donc il faut que les gens arrêtent. Le directeur, vous êtes des journalistes, allez euh, euh, au, centre culturel et demandez-lui s'il a participé à la confection de l'agenda culturel de cette mais ville. Qui ne dit rien, consent. Hein? Ah non, mais attends. Est-ce que sotti xorom wala kaani si non de question sotti xorom wala kaani mais li ñu ko bëgg xamal un agenda culturel nous ni ñu ko Quel nous du fait un agenda culturel parce que tu ne peux pas faire un agenda culturel pour une ville comme Thiès sans les acteurs de Thiès sans le bras technique du ministère de la Culture. C'est ce ko bëgg nous appelle à une concertation on est ouvert il n'y a pas de souci pour ça ñi peuvent voilà. voilà en français. Euh, conseiller municipal et membre de la commission nest culturelle de la ville de Thiès. li nga xew lu dol lu parce que quand lu ñu liggéey gestion euh, participative et inclusive ñun dañoo jàppoon ni même moom su fait contenter. amoon programme avant muy def lancement bi mais mu woo les acteurs culturels les praticiens les danseurs les musiciens les comédiens proposer leen agenda am proposer leen également projet bi Vous gars yi d'accord à l'unanimité mais mu def lancement avec l'ensemble des acteurs culturels mais ce qui s'est passé ici ku ko tudde rupture da ngay wax lu la mais le maire a usé également de ses pouvoirs pour def lu ko nous, nag ku def lu Nous aussi on prend nos responsabilités ñu def lu ñu neex Benen mbir benen mbir man je suis membre de la commission culturelle mais xam nga ce li doy waa triste mooy la présidente la présidente présidente commission culturelle tey mi ngi toog mel ni koo xamante ne bokkul laja mi Fadda présidente commission culturelle kenn associé wu ko et puis nous mën a une commission culturelle comme nous ko dit yi waxee ngay créer également ce comité de pilotage ba pare nan, waa commission culturelle bi dem leen dem leen ngeen taf ci li nga xamante ni ah mais non non mais c'est extraordinaire c'est grave Le xew lu doy waar la ñun un festival mais l'ensemble des acteurs culturels yi nga xamante ni nañ également téye le flambeau de Thiès partout L'ensemble des acteurs culturels yi nga xamante ni yàgg nañ représenté Thiès partout au Sénégal et sur le plan international dañoo demul ci loo xamante ne kenn impliqué wuñu ci Babacar Diop tëju na def na programme am dañ koy bàyyi programme am. mais yéen yàgg ngeen boycotté. mais c'est ça Mais je t'informe je t'informe Babacar. la dernière édition non non non mais laisse-moi t'informer. dama la dernière édition non si je t'informe la dernière édition festival bu Talla le ministère de la culture da ko bañ la jox subvention. c'est parce que les acteurs culturels wax nañu ko ni ko festival bi amul sens amul implication acteur culturel yow osé nga fi di wax ay waxi festival sans Koulibaly sans joss. mais il faut arrêter. sans armes. mais sans armes. lo xamanteni ñun bari nek fi ci euh, non non non mais il faut arrêter encore une fois en tout cas li nga xamanteni mo xew déception la gatché la te li sentuñ ko woon également ci Babacar. festival du fi am bu len impliqué non non non en tout cas ñun de toute façon en tout cas de toute façon ñun. Non non non non non nous n'avons pas peur. nous ni les acteurs culturels mais ñun non mhm. non aussi plan non par rapport à l'agenda culturel de Thiès parce que bi non non ko non non am aberrant grave non non non également ci non non non sa programme non def sa lancement et puis non tout non non dégg naa muy lim yenn sax yenn acteurs culturels ñooñu dañ leen a bind rek ci ci comité bi mais ñu ci bari ñu ci bari yëguñu bi ñuy élaborer n'est-ce pas le programme c'est ce qui s'est passé. da ngeen en tout cas de toute façon ñun danay waxtaan suñu biir danay waxtaan sunu biir li ñu mën danañ ko def jàpp leen ni Babacar maire bi def na programme am te booleewu ci acteurs culturels yi loolu mooy wax ji léegi ñu ñun danañ dajaloo xool comment réagir par rapport à ça. Nous wax na ko ñun l'animation de la ville de Thiès on l'a on toujours fait que ce soit l'appui de l'État central ou l'appui également de l'État décentralisé on l'a toujours fait et on va continuer à le faire avec nos propres moyens comme on l'a toujours fait. mais mais xam le maire de Thiès la culture la culture que le domaine de compétences transféré depuis 1996. bu faut di ci wax na acteurs culturels et l'institution n'organise pas l'institution accompagne des initiatives mmh. culturelles et ces initiatives culturelles là viennent des secteurs culturels que ça soit très clair mais quand même vous savez li là doit accompagner les initiatives culturelles les initiatives ça vient également des acteurs culturels que je veux le festival on parle du programme du manière générale le festival ben mbir programme le ñun programme la 2023 programme 2022 2023 Babacar da ko def te woowu ci acteur culturel et lépp na noonu mais woowuñu. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp tey suñu teewaay fii dafa nekk teewaayu man la Macoumba Diaw président des artistes de la région de Thiès am donc tey suñu teewaay fii dafa nekk teewaayu mbetteel teewaay boo xamante ni vraiment dañoo am lu ñu bett ci li fi nekk mooy mënoo def sa agenda culturel sang nga impliquer ñi nga xamante ni mooy les artistes mu nekkul doy waar Thiès nag li yàgg na fi te buñ ko arrêté wul culture bi dina fi sooxee te commencé na soxé donc ñun li wax rek mom moy rejeté rejeté euh ñu woñu pour ñu tok waxtaan mais liñ bëgg def nii ci lancement bi ñu duñ ko nangu te du fi amé dañuy wax dëgg gi te ndax ndaxte euh, culture nek na lo xamanteni mom moy moom première ci dëkk li nga xamanteni moko doxal ndax moy accompagner lepp kon monsieur le maire Babacar Diop su yi su amé il faut nga wo les artistes képp koo xam ne dafa nekk ci benn section muy danse muy théâtre muy peintre nga woo leen ñu waxtaan mais mënoo tëju ci benn ruq

nañu woo nañu woote waa ñu toog ñu waxtaan xool kat ñun Thiès boo ñu ñor. mais Macoumba moom woote na wax dëgg yàlla woowul kenn. non léegi si fin woowul kenn woowul kenn. je suis le président des artistes musiciens mais woowul kenn. non tey lay soo woote nee woowul démb non démb la envoyé ay lettres ay ci guddi gi. def plan am loolu c'est pas normal. donc nag comme moom moo fi nekk maire lu mu bëgg a def ñu duñ ko accepté na woon nit ñu ñu waxtaan pour mën a jëmale suñu culture biir Thiès mu dox. bi mooy ñu mu ko dénk aussi mu xool leen ndax nit soo koy dénk da nga koy xam mais mënoo jël ay nit yaa ma neex rek dénk leen culture ñu koy yàq la duñ ko accepté loolu